Direction de la citoyenneté et l'intégration Bureau 2. L'éloignement et du contentieux-bas préfet de l'un Liberté Égalité Fraternité-bas arrêté. Portant obligatoire de quitter le territoire français sans délai. Interdiction de retour. La préfète de l'un Chevalier. De la Légion d'honneur. Vu la haine. Convention européenne de sauvegarde. Des droits de l'homme. Et des libertés fondamentale vu le Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile vu le procès verbal d'audition établi par les services du commissariat de police de Bourg-en-Bresse le 18 juin 2021. Considérant ce qui suit. M. Bachir. s'est donné le 3 janvier 2000 à Niamey, Niger. De nationalité nigériane. Est entré sur le territoire français selon ses déclarations. En 2019 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L311-1 du CCDA ainsi. L'intéressé qui se trouve sur le territoire dépourvu de séjour entre dans le champ d'application des dispositions du 1 degré du L de l'article L611 du CCDA. bas. En outre, l'autorite administrative peut, par une décision décider que l'étanger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraire à cette obligation au terme de l'article L612-2 A du CCDA ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances humanitaires.